auditrices auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou. C'est lundi 16 octobre 2023. Je suis avec Habiba Hameda pour la présentation. Habiba, comment vas-tu je vais super bien, Mariam, et j'espère pareil chez toi. Ouais, je vais très bien, Habiba. Pour débuter la semaine, nous allons tenir accompagné à nos auditeurs pendant une bonne heure en info et musique. D'abord, nous ouvrons l'émission Les Niger sur Kalangu avec le flash d'information de la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui. Nous parlerons justice comme chaque lundi. Ce matin, nous suivrons ensemble l'entretien avec le directeur du centre socio-éducatif Owayekai de Dogondouti, région de Dosso. Toujours dans cette émission, il y aura du sport et reportage reportage régional suivi de la chronique à Lotti et de la culture linguistique en français et anglais. Nous bouclons avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Hilet Soumana et Kadije Isaka. Du côté de la technique, il y a Issa Lawali. Chers auditeurs, sans tarder, voici le flash d'information présenté par Mortar Hamadou. Bonjour Mortar. Bonjour Habiba Ahmed. Bonjour Mariama Adé. Le flash d'information à présent. Chaque 16 euh, octobre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre la journée mondiale de l'alimentation qui commémore la date de sa propre création en 1945. Cette année, le thème est axé sur l'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit dans le contexte du Niger qui subit un stress, hydrique. Euh, la thématique est particulièrement importante selon Jean-Noël Gentil, le représentant du PAM, Programme alimentaire mondial au Niger. Il a indiqué que leur priorité est de construire la sécurité alimentaire à travers des nouvelles approches pour que les interventions soient durables et résilientes. Euh, le représentant du PAM sous souligne que la fermeture des frontières complique considérablement la capacité à mettre en place des opérations humanitaires ou de développement. En septembre 2023, ce sont 83 000 enfants qui n'ont pas pu être assistés dans le cadre du traitement de la malnutrition par manque d'intrants nutritionnels bloqués au Bénin et au Togo. Il a précisé que si rien n'arrive dans les prochains jours, en octobre, ce sont environ 160 000 enfants malnutris qui ne pourront pas être assistés à l'issue d'une communication de la ministre de l'Éducation nationale lors du Conseil des ministres du samedi 14 octobre, le gouvernement a relevé qu'il avait eu connaissance de tentatives subversives visant à introduire les pratiques et le débat LGBT dans la société nigérienne, en particulier au sein du milieu scolaire. Face à ces tentatives, le gouvernement s'est engagé à identifier et traduire en justice les responsables et les complices de ces démarches considérées comme contraires aux lois et aux mœurs du Niger. Le Conseil des ministres affirme que des sanctions sévères seront prises à leur encontre. L'association des professionnels africains de la communication APAC Niger a organisé samedi 14 octobre une journée de partage et d'échange au profit des journalistes d'investigation. L'activité marque la fin du programme APAC Niger 2023 et la formation d'une cinquantaine de journalistes hommes et femmes des huit régions du Niger par des experts sur les techniques d'investigation journalistique la corruption dans les secteurs publics et privés, les pratiques d'expertise fiscale, les pratiques judiciaires ainsi que sur la législation nigérienne en matière de respect de la vie privée et de la diffamation. Et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 16 octobre 2023. Merci Mokhtar, à la prochaine fois. C'est le moment pour nous d'en savoir un peu plus sur notre invité du jour. Et comme annoncé, notre invité de cette émission est Habib Dallaji, directeur des centres sociaux éducatifs Wayekai de Dogondouti. Mais avant d'entamer la première partie de notre entretien, nous allons écouter la première musique de notre playlist du jour avec les titres États-Unis d'Afrique de Adams Junior. alatumaigo gabago moya neharemo crise econômica inakiraga people africain suzomuhi abondazaite damuwoyoi mi usa op africansa etasi l'unité et la diversité du continent africain. le paroles de cette chanson résonne avec un message d'espoir et d'harmonie, rappelant aux auditeurs que l'Afrique est un continent riche en culture, en langue et en histoire. Cette chanson témoigne aussi les talents musical exceptionnels qu'avait Adams Jr. et de son engagement envers l'unité africaine. avec la rubrique Entretien du jour et le directeur du Centre socio-éducatif Waike de Dogonduchi, Habib Dalladi, nous amène à la découverte de son établissement scolaire, une école qui donne une chance aux filles et aux femmes d'avoir un métier. Notre reporter Semira Rouafi, un reportage dans la région de Dosso, s'est entretenu avec lui. Écoutons. Le centre euh, a été créé le 5 octobre 2002 donc euh, bientôt, le centre a 21 ans de vie. avant, c'était à la mission catholique. Mais en 2002, la mission catholique a préféré, en tout cas, euh, euh, le construire en plein centre-ville. Le centre, c'est une branche de la CADEV Nyami donc euh, que beaucoup de gens euh, connaissaient sur le nom de, de Caritas. ici, au niveau local, donc c'est la mission catholique euh, qui s'occupe un peu de ces centres-là. C'est elle qui est devenue maintenant le répondant de cette structure qui se trouve à Niamey. Quelles sont les différentes activités de ce centre Bon, le centre euh, a, pour activité donc euh, la formation en couture, euh, l'alphabétisation, la reprise des études et un volet aussi des enfants en difficulté. il y a aussi la bibliothèque, la formation en jardinage, c'est aussi un centre qui accueille, c'est un centre d'accueil pour euh, les gens qui passent ou les gens qui viennent en formation ou même en réunion. Donc euh, nous avons un petit lieu d'hébergement, une grande salle de réunion climatisée. Et nous avons aussi un volet restauration, donc cafétéria. Hum, vous avez parlé tout à l'heure des enfants en difficulté. Qu'est-ce que vous entendez par enfants en difficulté ici à Dogondouchi Bon, euh, les enfants en difficulté, ce sont des enfants issus des familles euh, très vulnérables, très pauvres. Donc, euh, on essaie de les identifier dans les quartiers, deux fois même dans les environnements de, de dans les villages environnants. Et on essaie de les, de les identifier et aussi en collaboration avec le, le service du développement euh, social. On conjugue nos efforts pour en tout cas voir comment travailler avec eux. Donc c'est ceux qui ont des difficultés vraiment, soit de famille ou bien euh, les difficultés même euh, hors famille quoi. Donc c'est ça que nous appelons les, enfants en difficulté. D'accord. Alors, euh, ces jeunes filles qui apprennent soit la couture ou l'alphabétisation, à la fin de formation, qu'est-ce qu'elles deviennent Et d'ailleurs, combien de temps dure la formation Bon, euh, je commence par la deuxième euh, question. Donc, la durée de la formation, c'est pour trois ans. Hein. Donc, elles passent trois ans avec nous. Et, mais maintenant, pour maintenant la suite, euh, la continuité de leur formation, parce que je vois bien, et c'est pas bon juste après les trois ans que les filles quittent en tout cas le centre juste avec une attestation ou un diplôme. Nous sommes en train de voir avec euh, euh, les amis, les partenaires et même les filles, les parents aussi de ces filles-là, voir comment conjuguer nos efforts pour que à la fin de la formation que les filles la quittent avec euh, au moins des outils hein, de, des matériels qui leur permettent, en tout cas après formation, de continuer à chercher aussi là où elles sont. Quoi. Hein, donc, c'est les machines ou peut-être euh, on est en train de voir. Sinon, euh, euh, comme c'est la première promotion, hein, euh, donc on a juste fait deux ans avec ces filles-là. Donc maintenant, la troisième année, c'est à partir d'octobre. Nous verrons bien avec les filles, mais ce qui est très sûr, on ne va pas laisser les filles-là quitter le centre les mains vides. Ça, c'est pas possible. Merci. Marquons une pause à musique avant la suite de notre entretien et cette fois-ci il s'agit des Abia des Marais Makalou. ka wɔrɔsɛ gɛɛni. agogo ti ka ya kɔ a kan ŋa ló ba mɔ wòye mɔ kari yɛrɛ miɛ fanga ba kari yɛrɛ miɛ ramɔ naani ani ka wa mɔdɛ ani da wajan awɔ mɔ ina rɔsɛ gɛɛni. dala ni bɔ ni bɔ la ni mɔ ye nɔrɔ Fari na kawarar ta ban ma ne yayan mai na ci hulluwa zan ba a boye ses œuvres restent immortelles. Elle chantait pour les chefs traditionnels, les hommes riches et les courageux. La musique de cette dame a fait la fierté du peuple manga. madala kare maya mina ga warim ya bodina ron ni mare bo ya jine waya wa garo li anyo en kare ai da mai dan abi ya jine waya wa garo li anyo ya jane ran malu ran ga jine waya wa garo li anyo en kare mu da gadi ya jine waya wa garo li anyo kare asari mu dan ya Malata mori ya tina waya wadro ya ni kariya riji kariya ni tina waya wadro ya ni Mada bula di mi naro tina waya wadro ya ni bal mada musaram ya kullo rab gana makira rab ni Mala ngari makira rab tina waya wadro ya ni Ngudama ni bula chewa

20 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de notre émission Le Niger sur Je rappelle que nous sommes à pour découvrir le fonctionnement des centres socio-éducatifs Ouayakai et de son importance. Dans la deuxième partie de cet entretien, Habib Boudallaji nous parle des attentes de l'établissement au micro de Samira Rouafi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en tant que directeur de l'école, déjà, elles ne sont pas encore en fin de formation, mais la façon dont les choses sont en train d'aller, en quoi espérez-vous que ce centre va apporter un changement radical dans la vie de ces jeunes filles et de ces femmes qui apprennent l'alphabétisation, surtout que c'était quelque chose qu'elles ne connaissaient pas avant et qu'elles connaissent maintenant Bon, ça, c'est un travail de longue année. Hein, donc euh, on ne peut pas du coup dire que voilà ce qu'il faut faire. Mais nous sommes en train nous aussi de voir à notre niveau. Sinon, je vous ai dit tantôt que eh, on vient de commencer. et j'ai aussi parlé de ce cadre de concertation. Eh, Nous-mêmes, en tant que responsables, nous apprenons avec les autres et nous apprenons même avec euh, aussi les filles. Et je pense que euh, peut-être après la première vague, là, nous verrons bien euh, ce qu'il aura lieu de faire euh, pour maintenant la prochaine campagne. Mais sinon, déjà, nous sommes très, très, très encouragés parce que ces filles-là, nous avons bien compris que c'est des filles motivées et c'est des filles, en tout cas, et, qui sont déterminées à prendre en tout cas, un métier. Quel est l'engouement des parents Est-ce que c'est eux-mêmes qui amènent les enfants ou bien c'est les enfants eux-mêmes qui décident de venir au centre Bon, et c'est les deux, et parce que nous avons toujours une séance de sensibilisation avant euh, le démarrage de cette euh, activité. Donc il y a deux fois que c'est les parents, il y a deux fois aussi que c'est les maris, il y a deux fois aussi que c'est les filles qui viennent elles-mêmes en tout cas. Euh, donner leur nom. Mais nous sommes en train maintenant d'exiger que les filles soient accompagnées, hein. que, que la fille ne vient pas elle seule de donner son nom, il faut qu'elle soit accompagnée d'un grand, d'un parent, pour que maintenant, si au, au cas où il y a quelque chose qu'on puisse déjà toucher le parent. Et on insiste aussi pour connaître la maison euh, de la fille là où elle est pour que aussi euh, durant la campagne qu'on trouve des moments euh, de visite. Hmm? Parce que le travail ne s'arrête pas seulement au niveau du centre, et nous avons aussi le devoir de nous déplacer vers, en tout cas, les parents de ces filles-là. Vous avez parlé du fait que maintenant, il faut que la, la personne soit accompagnée des membres de sa famille. Qu'est-ce que vous faites euh, pour les orphelins qui veulent s'inscrire dans, dans cet établissement Et Les enfants qui sont orphelins, on essaie toujours de leur euh, trouver une famille d'accueil. Ça, c'est très important. Donc, euh, c'est vrai, c'est le nom orphelin, mais nous, on fait tout pour que l'enfant ne se sente pas, en tout cas, orphelin en réalité de la société. Quoi. Et il est de notre devoir, en tout cas, de, de lui chercher une famille ou quelqu'un d'accueil qui peut en tout cas essayer de, l'aider. Au cas échéant, et le centre est toujours ouvert et pour accueillir des enfants ou des cas pareils. Et donc ça, pour le moment, ça ne cause pas de problème. Ok, quelles sont les difficultés que le, centre a l'habitude de rencontrer ou il continue de, rencontrer Bon, euh, la seule difficulté, vous savez très bien que euh, le centre, euh, comme beaucoup aussi des centres, euh, c'est pas facile quand on, on accueille des gens qui viennent un peu de partout. Donc les mentalités ne sont pas les mêmes. Chacun vient avec euh, ses choses dans la tête. Donc les, ça, les difficultés, ça ne manque pas. Hein. Mais on, fait avec, on vit avec. Euh, on essaie toujours de trouver une solution à cela. Et, mais la plus grosse difficulté, et c'est ça que j'ai dit tantôt, que euh, c'est au niveau des parents, puisque la plus grosse sensibilisation, la plus grande sensibilisation, c'est à l'endroit des parents. Parce que les parents restent à la maison et deux fois, ils envoient seulement les enfants au cours, suivre une activité. maintenant, nous nous sommes dit que on doit quand même faire ce travail ensemble on doit quand même faire ce travail ensemble parce que l'enfant euh, nous appartient nous tous. Ce hein, C'est pas seulement le centre, c'est nous tous. Et aujourd'hui, s'il est devenu euh, quelque chose, donc euh, c'est nous tous. J'appelle quand même les parents à se donner, à, mieux comprendre en tout cas, et à, mieux aussi suivre les enfants. Hein, parce que ça va aussi de la crédibilité de, de la famille. Moi, mon plus grand souhait, c'est de continuer jusqu'au bout. Des cas juste après un an, deux ans, deux fois, avec le mariage, avec je ne sais pas quoi, donc euh, les filles ne reviennent pas. quoi. Mais sinon, mon plus grand souhait, c'est d'aller jusqu'au bout, et avoir une attestation et un diplôme. Comme ça, ces filles-là, nous allons essayer de voir, comme je l'ai dit, pour un peu les soutenir pour qu'elles aussi, puissent en tout cas apprendre aux autres femmes ce qu'elles, ont pu reçu. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Habib, à présent, c'est de notre rubrique hebdomadaire à lundi axée sur les sanctions qu'on peut encourir en cas de non-respect de l'exploitation minière. Au Niger, la prospection, l'exploitation, le commerce et la transformation de substances minérales ou fossiles sont régis par des dispositions dans une ordonnance numéro 93 16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de cette loi Adamou Amadou, juriste au ministère des Mines, explique au micro de Rafika Taher. Qui est habilité à avoir un permis d'exploitation minière L'exploitation minière, elle peut se faire par des personnes morales comme par des personnes physiques. La loi a fixé un certain nombre d'autorisations et de permis. Notamment, euh, on a des permis pour petites exploitations, on a des permis pour artisanat minier également. Mais les grands permis, les permis d'exploitation, c'est seulement les sociétés, personnes morales qui peuvent prétendre un permis exploitation à grande échelle. Il faut au préalable, hein, un certain nombre de dossiers que vous devez soumettre, il faut au préalable être détenteur d'un permis de recherche. Vous avez eu des indices qui peuvent vous amener à la commercialisation. Une fois que le minerai est extrait, vous pouvez commercialiser. En ce moment, vous demandez à l'État l'autorisation. Le, permis, ce n'est qu'une qu'une autorisation s'il y a des sanctions juridiques en cas de non-respect des obligations et des modalités Le code minier prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces dispositions, notamment il y a des sanctions pénales. Également, il y a des sanctions civiles. On retrouve également des sanctions au niveau des contrats. Toutes les sanctions prévues par la loi s'appliquent et les parties, entre elles, fixent un mécanisme de, sanctions en cas de non-respect de certaines obligations qui n'étaient pas prévues par la loi et qui ne sont pas contraires à la loi. Les parties peuvent faire des clauses relatives à des sanctions dans le contrat. Donc, c'est des sanctions qui sont dissuasives, c'est des sanctions qui, amènent l'autre partie à s'exécuter avant même de, faire recours à la, à la sanction. Donc, vous allez voir des gens qui, exploitent des carrières sans aucune autorisation. Donc, c'est une infraction là, parce que la loi fixe un certain nombre de règles par rapport à l'exploitation des carrières. Il y en a qui, euh, à la fin de l'exploitation des carrières, ne font pas la remise en état. parce que quand vous finissez d'exploiter une carrière, la loi vous fait obligation de remettre le sol à l'État. Si vous ne le faites pas, c'est également considéré comme étant une infraction et à la loi minière et au code de l'environnement. Une fois que la loi entre en vigueur, on a l'obligation de la respecter. Dans le domaine minier, la, loi, en réalité, elle doit être attractive d'abord pour l'État. Pourquoi Parce que cette loi permet à l'État de, profiter de, la richesse de son sous-sol à travers les impôts et autres. Et, et de deux, euh, ça permet à l'État également, en tant qu'actionnaire, pour profiter des dividendes, puisque quand on va passer à l'exploitation, a la possibilité, on a dit, de prendre un certain nombre de pourcentages de la société d'exploitation. Et ce, pourcentage peut donner à l'État un certain nombre de dividendes lorsqu'on va partager des dividendes également, qui permet à l'État, en tant qu'actionnaire cette fois-ci, d'avoir euh, beaucoup de retombées par rapport à l'exploitation minière. Maintenant, je vous propose d'écouter Tagarin Dokoro de Sulekongo. Congo. région de Maradi sous les concours, était un musicien traditionnel de renom. Il était apprécié par les amateurs du genre musical qu'il proposait et il était surtout aimé par les femmes de son époque. Après cette pause musicale, Habiba, on passe à l'écho des régions. Hier, 15 octobre, c'était la journée internationale de la femme Rirala, répertoriée depuis 2012. À cette occasion, nous vous emmenons à Zender pour rencontrer Sadia Alhaji Hashimou, une femme rurale dont le quotidien est chargé de corvées, mais qui tout de même essaie de se frayer un chemin amenant des activités génératrices de revenus. Reportage signé Mustapha Mamassani. Sadia Lajashimu est une quinquagénaire qui a quitté son village natal d'Adinserki pour vivre avec son mari à Kanyamalamgaja. Son quotidien, un peu chargé, commence très tôt le matin. Sadia est partagée entre les corvées de la maison et les travaux champêtres. ina tahiya ta in je ni in yi tsine-tsine na tsine-tsine na itaciya kuma ina zuwa ina aikin gona na wata ciyawa na wani getsar gujiyata na wani hige-higen wake ina shiga gona kai ina tahiya ina aikin gona in ya getso muna taya shi murmura muna taya shi murmura muna mishi shika shikar gujiya Sadia a fréquenté l'école primaire de son village. Elle fait partie des rares femmes de son village à s'adonner aux activités génératrices de revenus yanzu na zo ni nake yin sana'almai kuma da wani sauransu haka wani kayan saidawa haka na kashi na tire in eh, ta wannan sana'al ina yi ina yin ina zuwa ina yin adashen mu kamar na mata na samu dai na sayi kamar wata tumkiya ta wani dan akuya a cikin ta Sadia Alhaji Hashimoun reste pas les bras Elle se bat chaque jour pour subvenir à ses besoins et le bien-être de ses enfants. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. place au sport avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza, ça va Ça va très bien. Alors Gourouza, ce week-end, le MENA a fait sa première sortie au Maroc dans le cadre des matchs à fenêtre FIFA. Oui, Myriam, euh, les poulains du sélectionneur par intérim Zakariaou Ibrahim ont mouillé le maillot euh, samedi devant la Somalie. Au terme de la rencontre, l'équipe nationale de football du Niger a dominé la Somalie sur le score de 3 buts à 0. Le match s'est déroulé au stade Bichir Mohamed euh, de Casablanca. Les trois buts ont été marqués par Al-Mustafa Abdul Keirou à la 8e minute. Le deuxième but euh, par Mohamed Amadou Shpo Wanke à la 25e minute de jeu. Et l'assaut final a eu lieu d'ailleurs à la 114e minute euh, avec Boubacar Jibrila Goumé. Mais il faut noter que certes, c'est un match amical, mais cette victoire du Niger va donner un souffle au nouveau sélectionneur Zakariaou, mais aussi ça va galvaniser le groupe euh, du MENA pour affronter le deuxième match face à la Libye, toujours au Maroc. Grouza, quel est l'objectif de ces rencontres Oui, Abiba, c'est de se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer aux États-Unis, d'Amérique, au Canada, au Mexique en 2026. Le ménage du Niger va affronter deux ténors du football africain, la Zambie et la Tanzanie, qui actuellement avons joué la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc, le chemin est long, long il faut multiplier les matchs amicaux pour avoir une équipe capable de défendre les couleurs. Alors, à la Ligue régionale de pétanque a organisé un tournoi hier à dimanche 15 octobre à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Oui, Myriam, c'est un tournoi qui se déroule périodiquement entre les équipes de Niamey. Les acteurs ou amateurs de la boule se retrouvent dans un lieu en commun accord pour jouer la boule. Par exemple, aujourd'hui, on est à Korakano. La semaine prochaine, on peut être à Tchangaré, à Goudel, bref. Ce n'est pas pour aller regarder, se regarder, non. C'est pour jouer, défendre son équipe. Car la particularité au niveau de la boule, il y a toujours un trophée au finish. C'est un sport qui prend toute la journée. Oui, si tu cuisines, il ne faut pas aller. <laughs> Et ça se joue <laughs> dans la joie et la solidarité, l'allégresse. Mais c'est passionnant. Mm. J'aimerais voir Abiba un jour jouer ou bien Myriam. On va assurer. <laughs> <laughs> D'accord. Voilà, c'est la fin. Merci bien, Gourouza. Enchaînons avec euh, la rubrique portrait. Fatal Kamisa est une mère de famille qui vit dans le village des Carrés à environ 5 km de la ville de Saï, région de Tilaberi. Elle s'est spécialisée dans la confection des nattes ornées appelées communément Saï Tangara, très populaire au Niger au point d'impacter la mode vestimentaire traditionnelle. Malheureusement, ce joyau est en voie de disparition, déplore la quinquagénaire Fatih Al-Kamisa, qui se confie à notre envoyé spécial à Saï, Moussa Hassan. Écoutons. Fatih Al-Kamisa. mayo ki ga bai da kwarar ke ne hawal ka misero inni ni gar ni gogo nan go ni goga tangar ko kan gine sai tangara a mahal ma hal hal man maso ni gine gir fa mandi ifo ko ti sai tangara ti wo zai tun irka ga saban da ir alberi gate ini dandanan din da irwana irmo ir mo da wai hijiga kubai tangara wo no wai nya kulga kande iga dan daro bon yi makanji huwa gi mat da huwa gandora borai ga dai kelga watin borai ga kai ngai bonse so han wodin sino kadde bura pore zai koyai tuna sai ima kaga ha irmate amma so kan asiga dai irmo so irci gate sai tangara din aga fayan kan da tangarkin da zama a gwanin gabon talamai kan da mai iga tasi a gwanda a talamo garure wanzatu gome biri wo, bota gono irga teda bota gano borga da kongo bota ga gorora nima dangi bihinza nima koi ka maka dore ni nima hina nima ye ga da bota garma ye koi ni nima ye ga hina watinga abinoya garuramo niga hinanda ganda wanzato da goma i wani wani no ni gihina to jingai mo so i no cada a se no so i riol kandaga gama tinde dei ko aran duwara gomni bobo wallahi wadu ai wai madu wai kamba dalili de ci tangarawo zama tangaradin wato kai ga kai wani ha gina an nasarai kanka ai windi koyo baba ganda nasarai no carbande i kado an tangara ka tare gadari se idiya ina ngai gaba tangara annasara koy ka tinga de dando wata cin da noru zangu gugu irga ne dir wo kan kokor ir nyanga wo zangu yinkinka anai ma tengate alborane ka daga dai jambar da zangu yinka nga ga gadai ai ase akwai da a kelfodiya aka tinga da dando ai ase. sohon nya ya nasara me ame kan kawana ha me ame tangara dai tangara noro ngano ai danga dai mu mawadin yirkoi ba ha don kunai go albarkara son zanka kan goto nan gogi nan nandi ya zanka ci ba buwar maji kani mafarga zanka ci wadin kul muradu rangai wanda rayo da hankan manti wadin yungan wai goga ce son idi kan tangarawo a cike jama ci dai ba ka su dai har nokan gwandan ma na zama a tema ardi yoga gana mo si dare musu musu a wala tema zama yi wo ke fote tele koyai kawa to din tele ci ba longoyo. ikwai kane kalai huwara ai goga tangara kai inai fota sambu ikwai danan kai ke markwai inai mu koi wai koi wi ko ngwai ka inai hina ai san ai karfuru inai fota sambu nan kunno tangara din ko ya handi do doni ka asai dono da tangara kurgo bande wato da ka ga tangara gai huwari bobo gam kan yi kan dai ce wato din ki ga dan burbande

يردونا كانترا كنا كونترا ترى كنا تروندي سنا لارض نطرو كوي كروكرا وانتوما سيدك تلا غرت المدا هايت ما غرت المدا المدا اللي ديري سيرت بدار chronique Loti du Desk Femme de la rédaction parle aujourd'hui des risques qu'on peut encourir en laissant un puits ouvert dans une concession. En effet, au Niger, plusieurs maisons disposent à deux puits et souvent ces puits ne sont pas couverts. Quels sont les inconvénients liés à la non-fermeture deux puits dans une maison où des enfants jouent Écoutons cette discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. aniya mana tsayanan fa ka matsa la'ila ina ta yi kuma ina fatan dai ba kwana take yi ba kamar yadda ta saba ramu ramu ramu eh, allah waye ki kwala mini kira a wannan lokacin haba ramu me kike yi cikin ɗaki ga ɗanki nan shi kaɗai cikin hilin gida kaɗan yayi saura ya hwaɗa cin rijiya ni subhanallahi <laughs> habibu Habibu, ina ma yake, na shiga uku. Dan kuwa ga nan kusa. To, kai, Allah na gode muka. Allah ɗaya san abin da zai faru, inda ban toba a daidai wannan lokaci. Na gane shi kusa ga rijiya, yana neman kamo abin wasan shi da ya hwaɗi can sama. Ha? Ai da sai ya hwaɗi ciki, kuma iya ya ciki wallahi ba ku sani. Hmm. Ni Allah, da na rasa ɗana, da me zan ce ma uban in ya zo. yanzu dai Allah ya sa an yi sa'a babu abin da ya same shi amma ga hannu ba ni iya ganewa ya zaki ki bar ɗanki ɗan ƙaramin yaro kamar habibu yana wasa shi kaɗai cikin hilin gida ha kuma kin sani sarai da wannan rijiyar a buɗe take ba a rohe ba ai wannan hatsari ne gare ku a cikin gidan nan da baki sani ba hmm. bari ami wallahi kin san da kwance ho muke tare kamun barci ya ɗoke ni kuma kullum tare muke barcin rana kuma in ba yau ba ma bai zuwa can wurin kuma zancen rijiya da kike kullum ina jan hankalin ɗan aikin nan ya ringa riheta idan ya gama ba ma itace ruwa. Ban ce a kina da gaskiya, amma ya kamata ki ƙara mai da hankali. Ki zan kula da kanki da rihe wannan rijiyar in aka ƙare komi da ake yi da ita ke ya kamata ki zan lura da ruheta Kuma ma, ban ma san don me yasa kuke rike da rijiya cikin gida ba cikin wannan zamanin da ko ina ga famfo kuma kuma ga ku da famfo cikin gida. Hmm, baban Habibu wallahi. In na mishi zancen a kashe wannan rijiyar sai ya kamun zancen wai shi a zai yi wani furaji da ita. Haba abu ne mai kyau, amma kafin nan ya kamata ya tambayi manyan masana su ya kamata su gaya mishi bisa kan yadda abubuwan da ya kamata a girmama kahin a yi wannan furaji ɗin. Kahin nan kuma ya kamata ku kare wannan rijiyar a rihe ta da wani raga ko da wani abu kahin ma a buɗe a samu a yi forage ɗin har ma saboda yara. Hmm. ya ce mini ya yi hira da su na san nan gaba za su zo su yi su. to hakan ya yi kyau amma ya kamata ki ƙara mai da hankali ki zan kula da yaron nan kahin a ƙare wannan aikin forage. ke bari ba yaron bari jiyan ma da kaina ni zan ringa kula da ita kahin su ta shige gina forage kin gana shi. to madalla jiga shi ni har na mamance abun da ya kani gidanki. kai ba dole ba. Chers auditeurs, tout de suite la rubrique linguistique qui explique l'acronyme ONG et c'est avec Jackie Dalton, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle. Bonjour et bienvenue. Le mot anglais d'aujourd'hui sera une traduction du mot ONG. Mais avant de faire tout cela, commençons par discuter de ce que signifie ONG en français même. Parce que c'est un mot que nous entendons souvent, mais tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc ONG, en fait, c'est un acronyme, c'est-à-dire c'est la version abrégée ou raccourcie d'un nom. Le O signifie organisation, et le N et le G signifient non gouvernemental. Organisation non gouvernementale, ONG. Qu'est-ce que c'est un ONG C'est une association ou groupement de la société civile ou d'intérêt public. Et en anglais, in English, c'est NGO, Non-Governmental Organization. NGO. Non Governmental Organization. Et au Niger, il y en a plein des ONG. In Niger, there are many NGOs. Donc il y a des ONG internationales, International NGOs, comme MSF, acronyme pour Médecins sans frontières, ou IRC, acronyme pour International Rescue Committee. Et bien sûr, en plus des international NGOs, il y a des ONG locales, local NGOs, local NGOs, c'est-à-dire des ONG qui sont des structures nigériennes qui travaillent au Niger plutôt que des ONG à l'international. International Non-Governmental Organizations, INGOs, and Local non governmental organizations, local NGOs. Et le but de ces organisations, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais en général, c'est d'être vraiment de utilité publique. Beaucoup de ces ONG, par exemple, travaillent dans l'action humanitaire, humanitarian action. Ils répondent aux catastrophes naturelles, aux guerres, aux épidémies, etc. Il y en a aussi qui travaillent à plus long terme dans le développement. Development. Par exemple, l'éducation, santé, droits de l'homme, etc. Voilà, local NGOs and international NGOs for humanitarian action and development. NGO, that was today's English word. Merci Jackie pour cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, zarma, tamachek ou fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Habiba, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Sunana Studio saman yanar gizo gaskiya ina jin daɗin su eh ina gaida mamata ina gaida yata raina ina gaida abokiyata rashida da ina gaida kuma ashiru eh da farko suna na anas mai garge wanda mai lakamin suna peti masega studio kalangu wanda na saurare shirinsu na kullum 17 zuwa 18 saboda abin da ya saban mancewa da studio kalangu wata rana abdulaziz rayoma ya taɓa yi min tambayoyi a bisa kan ayyuka na wanda ya ce min kuma za a iya tura ni studio kalangu insha Allah wanda zan saurara gaskiya ranan nan gudan Nijar duk inda nake da wani dan uwa ya yi ta kira na yana yi min barka saboda ya ji muryata a cikin studio kalangu gaskiya ina jin daɗin studio kalangu saboda labarai wanda ya danganci na matasa wanda ake sawa a duk wajen disattar in nan akwai wani labari wanda ko da yaushe nake saurari bisa gare shi shine shirin mu na mu haɗu a fada dosa medi insha Allah ina sauraren shi sannan kuma wannan na kin wanda nake ta saurare a kullum ina jin labarai kan matasa masu aikin hannu masu nuna ira kokarin su bisa kan aikin hannu to gaskiya dai na farko da wanda zan fara gaida shine mai gidana masu gafen mamudi sai ni gabai eh, sannan kuma ina gaida duka da auditor auditrice na studio kalangu musamman ina godiya zuwa gare su musamman ke ma samira wafi ina gaida ki na shi daɗi sosai ina ta da studio kalangu a ko da yaushe suna na rashida suleiman lakamin suna la'ar akwai shirye-shiryen studio kalangu wanda muke saurari saboda shak samedi shirin da ake na tus alafada shi wannan saboda ina jin daɗi ne ana tattaunawa da matasa kuma ko ne yana waɗin matsalolin shi ina jin daɗin sauraron wannan shiri kumbancin wannan shiri da ake yi akwai shirye-shirye da dama wanda suke yi wanda shak ne wanda yake farawa daga onzer zuwa midi kuma da marisa suna fara daga 17 zuwa 18 ina kasancewa tare da su ɗari bisa ɗari a kowane lokaci to daga harko dai ina gaida duka animatar na radio dalol fm musamman zuwa ga aliyu bawa saboda shi ya ɗauki wanga nauyi namu shine ya samu ka kasance a tare da studio kalangu don duk abin da ya tashi in dai kan harkar studio da kalangu ne don muna tare da su yana kiran mu sannan akwai tonton ina aliyu mai rijiya ya kasance shi ma ɗaya daga cikin ma'aikata na radio dalol akwai babana ɗan galmi da ke matankari akwai shi ma dai babana kusu saboda shi ina gaida su kuma ina musu Ici prend fin cette émission de ce lundi 16 octobre 2023. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et Mariam L'édition a été assurée par Hila Toussoumana et Kadija Isaka. À la technique, c'était Issa Lawoli. Rendez-vous à 17h pour le journal. Bon début de semaine à tous. Bébé, non, non, ne me laissez pas. Pour t'avoir à mes côtés, je ferai n'importe quoi. Mais ce que ton cœur te dit. N'écoute pas les ennuis. Je te veux à l'infini. Mon cœur est dans tes mains, baby, ne le saignez pas. J'admire ta douce peau de benne, ta forme de guitare, tes yeux de Mona Lisa. Tes fraîches et classiques. Comment n'est pas devenu fou de toi? fais partie de ma vie, jamais ça ne changera. Ne sois pas jalouse, je n'aime que toi. Aucune fille de la ville peut se comparer à toi. Non, non, non, non, c'est ma number one à moi. J'aime quand tu me regardes avec tes yeux brillants comme le soleil. J'avoue que tu m'aimes, tu m'as toujours aimé avec ou sans de Pardonnez-moi, parle-moi. I wanna to make you mine. I think about you all the time. I need you by my side, hoping you don't mind.